Vainqueur, Edouard Guizot, point à corre. Tala tala kuliah, apa film mana? l'arbitre pour s'aborder la deuxième mi 45 minutes de vérité au plus. Donc, dernier, musique, petit canap, nous les ramène les occasions d'éclat de ce match. xam suñu football yëpp day mën na ay trois waaye day am ay deux Thank you. non parce que boo ma soogee ba ma attaque ñaari fan ba mel man ma soxla de mango. waa kii waa Buloolu waa Buloolu. Buloolu étoile. voilà bu gën a dee ko. bu fàtte benn autre sax bu gën a dee kay. waa étoile am na étoile yi ñëw na dafa nekk rek penalty penalty am na. erreur la parce que mënul. man loolu laa jàpp. ñii moom man du ma leen reproché. arbitre boo ko bëgg arbitre dafa nelaw xam nga dama dafa nelaw. ballon dans le monde central récupéré par le numéro 2 attention attention voilà le joueur de Khalidia a tardé à réagir est-ce que est-ce que du duñ ci ci ci même match Gabon arbitre ñii day leer nañ ñëpp na waaw am na mu ngi soog a tuur mais ay sow sow am na mais saa wa seen booy dañoo xam dañoo dañoo mën booy jamono yi dañoo mën

ñëpp di ko raxaw. Thank you. لا اله encouragements tous mes encouragements je félicite euh, les moi quand je sors ici je, lève la tête parce que je vois que nous n'avons pas démérité. Parce que si vous voyez, l'AIC c'est une petite équipe. Mais il y a derrière des magus Pour que l'Aïsé Khalei Cité n'atteigne pas le citer tant d'Aïsé, tant d'aïsé de grandes aïsé de Catherine, qui ne veulent pas que l'Aïsé Khalei Cité aille de l'eau. Je le déplore. Si, on veut que le football caprinois avance, il faut qu'on s'arrête ce genre de choses-là. Chaque haïtien a son quartier. Donc, tous les Aïsés doivent dépendre défendre les couleurs de leurs Aïsés. Il ne faut pas aller pour aider les autres. Ce n'est pas bon. Sinon, même au niveau familial, ça peut créer des, des problèmes. Et ça, c'est dangereux. je pense que si vous voyez, on a pris deux buts donc, Certes, le deuxième but, il y avait une position de jeu, mais l'arbitre n'a pas ciblé. Parce que le gars, il était là-bas. Il était là-bas. L'arbitre n'a pas ciblé. On a encaissé un, deuxième but bidon. Mais je suis revenu. J'ai fait des changements. Ce qui a poussé l'équipe de, de venir à le score. Et puis à, 1. Euh, donc, le coup fatal. Bidon, j'ai changé de système. et on a encaissé un troisième but. Merci. Marassal, coach d'Ego, d'Ego. Mm. Mm. Mm. Ah, match bi de tout d'abord dañuy dañuy sant yàlla bu baax donc début bi début bi métti woon na trop suñu départ aussi ku ne xam ne métti woon na boo xoolee li ñu li ñu def ci nawetaan li ñu financé tout tout tamit koñ bi tamit ñëpp jàpp si donc jàpp naa ne waruñoo ñëw ba fii ay demi final di fi di fi taxaw loolu du yoon donc tey waa koñ bi ñëpp a génn ñu génnee ñoom ñëpp on s'est dit que tey moom final rek donc yàlla dimbal nañu ñu doon ñaan defal nañu <clears throat> match bi nag bon football la comme football comme match yëpp. certes euh, position bi peut être yamul demi demi finale la quart de finale mais demi finale moo moom moo ëpp moom moo ëpp enjeu donc yàlla def na ñun nekk nañ ci match bi bëgg nañ ko gañe nañ ko amul leneen arbitre bi gisuma si dara lu dara dañ leen mën rek dóor leen ñoom it nañ ko nangu rek dafa waat déwén incha allah bon ñun suñu côté amul tâche équipe bu mag lañ yàgg nañ toll si moment yu mel nii yàgg nañ nekk ay demi finale yàgg nañ finale donc buñ demee ba toll fi aussi dañuy dem ak suñu suñu xel match bu match bu nekk dafa am mu laaj donc ñoom ay boole jaay leen ni jikkoy mag mu jeex rek.